candidat à la candidature Quand la il sérieux yow ku xam nga ndax Vous nga avocat international un ministre un député un père de famille chef de parti est-ce que vous nga un à CV la est-ce que Vous nga candidat vous tëb tëb damay jël réew mi amoo benn expérience xamoon nañu fay salaire yi xamoon na mooy budget bi ñu wote assemblée nationale dem naa ba fukki at xamoon nañu contrôler les politiques publiques nu ñu contrôler le gouvernement xamuloon nu ñuy def conseil des ministres ñu war a adopter projet de loi xamuloo justice nu muy doxee man nee naa wala damay porter plainte Serigne Mboup ndax dama commencé sàcc sa programme <laughs> ma ne man justice dame dama supprimer ministre de la justice conseil supérieur de la magistrature ben membre du gouvernement de toog les damay changer tur bi sax mu conseil supérieur de la justice que le premier président cour suprême mon koy Bapare, ba pare dana am ay magistrat ay avocat ay greffier ay huissier ay notaire commissaires commissaire prison. donc ñuy liggéey yëpp ay expert ñuy liggéey ci justice mais moi, moi, xam ne du magistrat yi rek waaye dana fa bëri ngay nekk moitié avocat yi di fa toog huissier di Tok, greffier di Tok, ñëpp di Tok, ak notaire yi ñooñu ñooy tànn magistrat appel d'offre pour diriger les juridictions Soit programme la ku école xam nga déjà ku jàng école mon nekk Dans dañ ni ci texte bi il faut parler couramment le français la langue officielle du Sénégal ku le ni sëriñ bu jàngul jàng na daara jàngal daara moo nga Abdou Bara Dolly xarit ñu ne ay candidat lañ mais seen conseil yi dañoo war a doon ni yéen même le conseil constitutionnel war nañoo bàyyi ñu jàll sëñ bu war doon jàll wala conseil constitutionnel laa xam dafa laxiste parce que dafa am pouvoir d'investigation te gis na sax yu sëriñ boobu di làkk français xam nga day jéem a dégg de français moom moom Abdou Bara Dolly da ngay ree ba tas ak ñuy <laughs> Les eh, élèves Khadim semblent, c'est des élèves de Khadim des Khadim français Vous voilà Vous le voiture là avec le femme hein, avec avec mon maison hein avec Sazi <laughs> donc voilà don voilà <laughs> c'est extraordinaire kooku dama ne présidence de la république du Sénégal Serigne mbou mu dem mu dem CEDEAO dem union africaine dem union européenne di wax français bo xamni ni fu tudd bi lay day yëngatu Senghor dina jóg ni hee Sénégal ka ñen dof ay way Sénégal yeen li Sénégal fu ngeen do léegi ni Sénégal man dañuy liggéey ku ani be moy taxaw siège Nations Unies tok ñu la parole est au Sénégal

Abdou Bara Dolly Mbacké Mbacké Mbacké waaye rek bu dégguloo français xam nga ñu ñuy tempaniser naan ñu Macky dafa respecté constitution bi mais constitution bi loolu wax la langue officielle du Sénégal c'est le français sëriñ boobu ko déggu ko Abdou Bara ko jëpp ne pat kenn ñëwu leen dénoncé parce que masla bi rek gars yi nañ bàyyi masla bi waaye xar bi solo nga ñëwin nag kii kenn ko yóbbu ko feneen Mais parole euh. on va lui le micro il n'y a pas de problème alors vous avez vu ça Quand nga ni ñu war wax duñ nga grave cette violation de la constitution nous ñëw yow dégguloo français l'électeur le candidat doit parler couramment le français moi le français primaire du français secondaire du français baccalauréat la langue de Molière la langue officielle vous avez la parole monsieur le président de la république le français neex ko c'est la parole monsieur le président de la république vous avez la parole la parole. la wala l'a mais Sénégal yëpp di pat pat tiiral ñëpp xam ne ñaar ñi dégguñu français duñu ko làkk sax ñu ne candidat lañ kenn ki jàll kenn ki jàllul ëllëg bu ko yàlla may mu nekk président Serigne Mboup ay eh waaye quel gàcce pour le Sénégal fekk ñoo ko nous suñu bopp ah les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent si on est complaisant jusqu'à laisser un alphabet. ou quelqu'un qui ne parle pas français même s'il parle arabe ou russe on s'en fout la conscience de demain exige qu'on parle français tout le Sénégal est a pas de part parce que lui wax de questions que son finit xamul le ni une de français pas ko mais on l'évite partout on l'évite dans les émissions même dans dans les journaux oui il monte, il monte il étale ses carences il montre qu'il ne maîtrise pas la langue, française. L'anglais n'est pas la langue exigée. On dit qu'il faut parler couramment français. Je n'aime pas les idiots. Il faut être intelligent. Quand on dit qu'on ne parle que français, il faut pas donner le russe ou l'espagnol. Le candidat arabe ou anglais, on s'en fout. La caution parle et dit français la langue officielle. Où est-ce qu'on a mentionné l'anglais ou le serbe Mais nous sommes tellement malades dans ce pays, tellement complaisants, tellement malhonnêtes intellectuellement, qu'on tolère énormément de bêtises. Je voudrais dire donc que la décision prise par le chef de l'État son excellence, monsieur le président Macky Sall, de freiner, d'arrêter ces élections, ces décisions doivent être saluée. La loi est faite par les hommes, pour les hommes. Et l'organisation de cette élection aurait entraîné un chaos indescriptible dans notre pays. Donc félicitations, mais monsieur le président, vous ne devez pas céder. La communauté internationale a été este